Bonjour h Chers auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Fanta Chamsou et avec moi Ali Moukaila Ousseini, le Seno 50%. <laughs> bonjour Seno. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno. <laughs> et toi <laughs> Ça va très bien. Alors, Fanta, on n'oublie pas aussi ceux qui gèrent hein, le mission de l'autre côté du studio. Il s'agit de Issa Lawali à la technique et Rahilatou Soumana à l'édition. Alors, Fanta, t'as quoi pour nous ce matin Aujourd'hui, c'est nous. Nous allons rester en compagnie de nos auditeurs durant une heure de temps avec un flash d'infos et une bonne dose de musique nigérienne comme d'hab. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu et du sport avec notre chroniqueur sportif Guruza Hasubi. Dans l'entretien du jour, nous serons avec Moussa Jibrila, le directeur général de Sahelia Cloud sur un tout nouveau logiciel qui vise l'épanouissement économique et technologique du monde rural. Et juste avant de se dire au revoir, nous allons écouter ensemble les avis et messages de nos auditeurs du studio Kalangu. À vos marques, prêtes Partez Radio Color. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Michel Déji. Michel qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Michel. Bonjour Fanta. Quelles sont les nouvelles ce matin Oui, il faut tout d'abord euh, savoir que c'est ce matin que s'ouvre à Ngamena au Tchad le sixième sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Selon le site officiel de la présidence du Niger, l'objectif assigné à cette réunion de haut niveau à laquelle prend part le président de la République Mohamed Bad et est de redynamiser les activités de cette institution mise en veille depuis quelques mois par de nombreuses difficultés et par l'expiration du mandat de la force conjointe depuis juillet 2022, le retrait du Mali de l'organisation sous-régionale en mai dernier a obéré la capacité du G5 de mener ses opérations. Le président comorien Azali Assoumani a succédé le week-end écoulé à son homologue sénégalais Macky Sall à la présidence tournante de l'Union africaine pour un an. C'était à l'issue des travaux du 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UIA à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet a réaffirmé le maintien de sa tolérance zéro face au changement de pouvoir non démocratique en marge de cette rencontre continentale, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est aussi tenue à Addis Abeba. Dans leur communiqué final, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO décident de maintenir les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et aux représentants de ces pays. Retour au Niger pour euh, parler de cette euh, intronisation samedi dernier du 7e chef euh, du canton de Dogarawa dans le département de Malbaza, région de Tawa. Alka Kadri Atawel avait été élu, c'est un appel en octobre 2022 après la mort de son prédécesseur, Feu Abdou Kadri Atawel, rappelé à Dieu il y a un peu plus d'un an. Et c'est tout pour ce flash d'informations de cette émission Le Niger sur Kalangu. Merci beaucoup Michel. Chers auditeurs, tout à l'heure dans la partie entretien, nous recevrons ce matin M. Moussa Gibrila, directeur général de Sahelia Cloud, qui nous édifiera sur un tout nouveau logiciel qui vise l'épanouissement technologique en zone rurale. Mais avant, chers auditeurs, je vous propose de souffler en musique avec ce son de l'artiste Safia Yangoua pour vous, chers auditeurs. chers auditeurs, c'était sous le son Ouwa de l'artiste Safia que vous venez de danser. Safia qui chante en solo depuis 2018, après avoir passé plusieurs années dans le groupe de rap hip-hop Kedan Gaskia. Fanta, t'as déjà vu euh, le clip euh, de cette chanson Pas encore, non, mais dis-moi, il se passe quoi dedans <laughs> Eh bien, Fanta, ce clip nous fait voyager dans le futur euh, jusqu'au 8 mars 2036. Oui, mars, non, c'est euh, pas la journée internationale de la femme. Exactement, Fanta. Et une femme vient de remporter les élections présidentielles. Majestueux. Ah, je vois un peu donc euh, le 1OA, c'est genre le club met en scène une sorte de message à la nation, c'est ça C'est exactement cela, Fanta. C'est surtout euh, un message de paix et de cohésion sociale. En fait, Safia a remporté, euh, a repris, a repris une vieille chanson des festivals anciens euh, qui ont fait vivre la culture nigérienne dans les années 80. Safia, c'est un vrai talent. Tu trouves pas, Fanta C'est aussi une très belle voix, nous. Exactement. <laughs> Fanta, toujours euh, dans cette édition, nous allons parler de technologie. Exactement, nous. Je me suis entretenu avec M. Moussa Gibrila. Euh, je m'appelle euh, Moussa Jibrina, je suis directeur général de Sahila Clouds, qui est une société euh, ici au Niger et qui intervient dans le développement des logiciels. Aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un tout nouveau logiciel euh, sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, il s'agit de PESA. Qu'est-ce que c'est que PESA et quels sont les domaines dans lesquels PESA intervient Donc PESA, en fait, euh, c'est un logiciel, on va dire sur mesure, qui est fait vraiment et euh, qui vise substantiellement les populations rurales. Donc si on dit cela, tout s'articule autour de ces populations-là. Donc en substance, le logiciel, en fait, permet d'établir une communication interactive entre ces populations et un serveur qui est sur le cloud. Comment ça marche exactement On va parler du principe avant de rentrer dans les activités mhm. possibles. Quoi. Donc le principe, euh, c'est ce qu'on appelle le push-pull. Donc euh, c'est-à-dire c'est une communication où tu lances une requête, par exemple par SMS, tu écris un code, par exemple 1, 2, 3. 1 veut dire quelque chose. Dès que tu envoies un à un numéro qui est enregistré sur le serveur, automatiquement le serveur te renvoie un message, soit en texte, en fonction de ta capacité, parce qu'on euh, on connaît la capacité de tout un chacun, ou bien en vocal. Donc euh, c'est comme si tu vas recevoir un appel et qui va te détailler la chose que tu veux. C'est qui va vraiment aider les populations rurales qui ne comprennent pas trop le français, qui ne sont pas et ceux qui ne sont pas trop lettrés. Exactement, exactement. Donc euh, il y a cette facilité justement qu'on a voulu promouvoir au contraire des applications qui sont actuellement sur Play Store, euh, que les gens peuvent télécharger, mais c'est pas n'importe qui qui peut utiliser ces applications. Donc vous voyez le SMS ou bien le WhatsApp, parce qu'on utilise aussi le WhatsApp, que c'est des applications populaires qui sont connues. Donc nous, on va prendre, euh, c'est comme un effet de levier qu'on va faire pour pouvoir vraiment intégrer ces populations, quoi, pour qu'elles euh, accèdent comme tout le monde à cet aspect, et ce monde numérique qui est porteur de beaucoup de choses, de beaucoup d'innovations. Est-ce que le logiciel est déjà en ligne oui, en fait, euh, le logiciel, il est à ligne pour des clients précis. Voilà, donc euh, ce n'est pas un logiciel qui est là, qui est voilà, comme une application. Non, c'est pas cela. En fonction des organisations, parce que nous travaillons avec des organisations, donc on fait euh, quelque chose vraiment d'adapté à cette organisation. Vous dites votre besoin, voilà, on calcule très bien ce qu'il vous faut et on fait votre propre plateforme. Mais Soudure c'est une marque en fait. Comme on parle des serveurs, en fait, ces serveurs, euh, euh, on, le communique à travers un, numéro, un numéro de téléphone ou bien de WhatsApp. Donc, c'est un numéro qui sera connu par tous les abonnés de ce, système-là. Voilà, ils vont, ils vont juste enregistrer, payer ça dans leur téléphone. Et donc, dès qu'ils euh, veulent communiquer, donc, intègrent ce, numéro, et envoient les messages, les requêtes qu'il faut. Donc, il y a effectivement un numéro qui doit être connu de, de tous et que tout le monde, quand il a quelque chose à faire, il interagit avec ce numéro. Comment ça se passe du côté de la microfinance avec euh, le logiciel Paysa euh, La microfinance, en fait, euh, on a déjà une expérience vraiment de plus de six mois pour développer un logiciel pour une microfinance. Donc, on a fait vraiment des tests concrets. Donc, avec la microfinance, ici, l'objectif ici, c'est vraiment d'étendre les services de la microfinance au-delà des zones euh, traditionnelles où il y a la connexion Internet. Donc avec cette solution, si on prend par exemple euh, avec le SMS, on peut vraiment faire des kiosques. Une microfinance ou ou une banque, elle peut avoir des kiosques partout en fait au Niger tant qu'il y a euh, la connexion SMS, le réseau de téléphone, tant qu'on peut mhm. appeler. Donc vraiment cette banque ou bien cette microfinance, elle peut avoir un kiosque, une représentation ou des villageois ils peuvent venir faire des dépôts, des retraits, demander des prêts. Tout cela est vraiment, a été déjà testé et puis c'est faisable avec cette application. Au-delà des microfinances, vous êtes aussi dans la gestion des organisations oui. avec le logiciel. Exactement. Donc euh, avec les organisations, là c'est encore beaucoup plus vaste, a tout un domaine de possibilités. Si vous voulez par exemple, comme la microfinance, en fait les organisations elles peuvent se constituer leur propre banque à l'interne. Et là c'est juste pour utiliser des comptes électroniques. Donc euh, voilà, c'est comme des comptes chaque membre de cette organisation, si on prend les coopératives par exemple, on va lui faire son propre compte et elle peut déposer de l'argent, genre Donc il euh, elle peut déposer de l'argent et retirer de l'argent quand elle le voudra. Peut-être elles vont promouvoir l'intérêt, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, ils peuvent manipuler ces, ces, là comme une banque, à la manière d'une banque. Mhm. Ça offre toutes les fonctionnalités des microcrédits, tout ça là. Mhm. Donc elles peuvent le faire euh, avec ça. Donc ça c'est un aspect. Aussi, euh, il y a l'autre aspect, si vous prenez par exemple les magasins. Ça, c'est donc, on, sort un peu euh, dans notre contexte. Les magasins villageois, les magasins communautaires, les stocks d'intrants, tout ça là, en fait, on peut les gérer. Effectivement, ça aussi, c'est des comptes individuels. Chacun, on lui fait un compte et on sait, par exemple, il a déposé telle quantité de maïs, telle quantité de mil, telle quantité de. Voilà. Mhm. Et on peut suivre au fil du temps, comme le warrantage on peut gérer le, les structures de warrantage avec ce dispositif. Merci, monsieur Moussa Jibrila. Nous allons faire une pause musicale et on se reprend tout juste après. C'est notre t'as prévu quoi pour nous et Nous allons écouter Moussa Toukou qui nous chante Fatima Dara. On kiffe et on revient juste après. ni kai dadi zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni dadi zai kashe ni ta fatuma jose fatuma ya anzola fatuma ne ya jai fatuma ya diso fatuma ya fatuma dara fatuma na fatuma tawa Fatouma Dara, Fatouma Hana, ça veut dire tout simplement Fatouma la claire, Fatouma la belle. À en croire ces mots, je dirais que cette chanson est inspirée d'un coup de foudre, n'est-ce pas Fanta Ah, c'est ce que je me disais aussi, c'est nous. <laughs> tu sais Fanta, ce morceau, euh, je l'écoutais en boucle quand j'étais en classe de seconde, l'époque de mon premier gourmet. <laughs> En fait, tu m'as donné gourmet, voilà. <laughs> Nissimara. Cher auditeur, Mousse Toukour est un artiste musicien, chanteur, compositeur et interprète. Quatre fois primé hein, au prix de d'Angourmou, le prestigieux concours de musique moderne nigérienne mais il est de moins en moins présent sur scène et il justifie cette absence par le fait qu'il compose beaucoup plus pour des partenaires qui font de la sensibilisation, mais aussi à cause de la morosité économique et surtout du désintéressement des jeunes à la musique locale. Après cette pause, je reviens à vous, monsieur Moussa Jibrilla. L'application Paysa permet aussi de faire euh, des collectes et des cotisations entre les différents membres d'une communauté, n'est-ce pas? Par exemple, si vous voulez, au niveau d'un village, euh, il y a un téléthon qui est organisé, une collecte, quoi. Donc, vous voyez, on peut utiliser euh, vraiment ce, logiciel aussi pour euh, collecter. Ce que j'ai omis de dire, c'est qu'en temps réel, dès qu'on envoie une requête, le logiciel, il affiche automatiquement tout ce qu'on envoie. Donc, toutes les parties prenantes ils savent très bien que ce monsieur qui s'appelle tant, que dans tel village, il a donné tel montant. Et tout est clair. Hein. Mhm. Dès que vous, vous, mettez votre mot de passe, vous accédez à l'espace et vous pouvez voir. Donc, euh, vous voyez par exemple les activités, euh, par exemple sur le, sur le terrain, la protection de l'environnement. Là aussi, en fait, euh, on peut savoir telle journée, tel monsieur, il a fait telle quantité. Et tout ça là, dès qu'un superviseur envoie au serveur il répertorie ça automatiquement. Et l'ONG peut savoir, ou bien si c'est l'organisation, elle peut savoir tel membre de cette organisation, il a fait tel. Donc ça leur permet de suivre et d'évaluer au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et même si on doit payer quelqu'un, on sait exactement ce qu'il a fait. Mhm. Donc euh, en temps réel, euh, le logiciel te dit que le monsieur l'a voici en fait ce qu'il a fait et qu'il a droit à ceci. Et mhm. lui-même, le monsieur, il est notifié et tout le monde sait qu'il voici ce qu'il doit avoir. Donc il n'y a pas de discussion autour de cela. Quoi. Voilà. Une dernière question. Est-ce que moi, en tant que personne mhm. physique, pas morale, je peux avoir accès au logiciel Oui, vous pouvez très bien avoir accès au logiciel maintenant si vous faites partie d'une organisation. Mais euh, en tant que personne privée, non, l'utilisation, elle se fait dans le cadre des, organisations. Sauf par exemple pour l'aspect bancaire, là où vous pouvez créer votre propre compte en dehors de toute organisation. Mais euh, comme on a dit, on a vu qu'il y a l'aspect financier qui est dedans, il y a un aspect du son des organisations. Donc, euh, si l'aspect de compte électronique, genre bancaire, vous pouvez créer votre propre compte et voilà, le gérer si vous avez besoin d'argent, vous partez au niveau du qu'est-ce que vous retirez de l'argent. Votre cible, c'est plus euh, des organisations que les personnes physiques. Oui, on va dire euh, vraiment, c'est beaucoup plus les organisations dans l'aspect non financier. Parce que si vous comprenez, il y a l'aspect financier qui est là mhm. et l'aspect organisationnel. Vraiment, c'est beaucoup les, coopératives, à travers ce qu'on a dit, les comptes à sous la gestion des magasins, mhm. ou bien les télétrons, des choses comme ça. Voilà, donc euh, les communes aussi, elle nous intéresse parce que les communes, elles peuvent suivre, par exemple, même les, prélèvements des taxes, tout ça là. En fait, on peut faire des notifications. Je reviens maintenant euh, à la communication. Je parlais de communication interactive que je n'ai pas développée. <laughs> voilà. Donc, effectivement, il y a trois aspects dans la communication interactive. Donc, je vais commencer par le dernier point là. Que ce soit les communes ou bien au niveau villageois, en fait, euh, à un moment donné, on peut informer la population de manière instantanée et en groupe. Donc euh, voilà, euh, on envoie juste un message et tout le monde qui est dans le réseau il est informé de quelque chose. Soit payez votre euh, taxe, soit voilà, il y a quelque chose qui est perdu, ou bien il y a une vache là qui est perdue. Mm. Un chef de village, il peut enclencher une telle, une alerte. Et maintenant, tous ceux qui sont dans le groupe, dans ces réseaux-là, ils vont avoir une alerte, que ce soit un SMS ou un vocal mais de préférence, si c'est en zone rurale, en vocal, que voici ce qui se passe. Et donc, euh, si la personne, elle a vu, par exemple, ce bétail-là, elle peut informer, elle peut contacter qui de droit. Donc, il y a cette communication de masse en fait, euh, qui peut être euh, lancée. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le e-learning, une manière de faire aussi l'auto-apprentissage. Par exemple, si on veut dispenser des cours euh, dans la production de tomates, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, euh, il suffit juste de taper une requête. Et cette requête, on sait ce qu'elle veut dire. Et le logiciel, lui, il va vous renvoyer un vocal. C'est des chiffres. C'est que des chiffres, pour faciliter. Il ne faut pas mettre des textes. Parce que, vous vous souvenez, c'est des populations pas trop lettrées. C'est juste des textes qu'ils connaissent, de 1 mhm. jusqu'à 9. Voilà, donc euh, il envoie la syntaxe. Déjà, au préalable, tout le monde connaît ces syntaxes-là. Donc, euh, dès qu'il envoie, automatiquement, il va avoir le cours sur la tomate, la production de la tomate. Ou bien, euh, l'autre aspect, c'est comme un assistant de calcul. Par exemple, vous êtes encore dans votre champ de tomates, vous constatez qu'il y a des pourritures qui sont là, des choses comme ça. Donc, quand vous composez un syntaxe, là aussi, en fonction, par exemple, vous allez mentionner le genre de tomate ou bien la superficie. Et tout ça, c'est codé. Et dès que vous envoyez aussi, une réponse vous sera parvenue, quoi pour dire ce qu'il faut faire, tel produit qu'il faut mettre, ou bien si c'est l'irrigation, telle quantité d'eau qu'il faut euh, mettre, des choses comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Gibrilla, pour ces éclaircissements. Sinon, on passe à notre rubrique hebdomadaire. C'est lundi et aujourd'hui, on parle de justice, n'est-ce pas Justement, dans notre rubrique justice, notre ami euh, Tarnan, Fodé Ahmed nous amène à la découverte de la lucarne de l'étudiant en droit. C'est l'intitulé de l'ouvrage écrit par un jeune Nigérien du nom de Abdou Razak Mahazou. Et justement, notre collègue Tarnan Foudé Ahmed vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Tarnan. Bonjour Fantan. Alors, euh, Tarnan, ce livre est destiné aux juristes avec euh, pour but d'aider les étudiants en droit et tout ce qui aspire à un concours en droit, n'est-ce pas oui, exactement, c'est ça l'essence euh, de ce livre, La licarne des droits écrits par les jeunes, Abdelrazak Mahazou. Euh, par rapport à cet ouvrage, euh, Tarnan, qu'est-ce qu'on peut retenir Bon, avant de parler de cet ouvrage, euh, je rappelle que Razak Maazou, c'est un jeune Nigérien de 35 ans, doctorat en droit privé fondamental à l'université de Ouagadougou. Mais avant de partir à l'université de Ouagadougou, il était combattant ici même au niveau de l'université Abdou Moumouni et à la faculté de droit. Je pense que ce livre-là, c'est un ouvrage très très intéressant pour les étudiants qui apprennent, qui apprennent prennent à, la faculté de droit. Donc euh, tu t'es entretenu avec lui aussi Oui, exactement, mais pour plus de précision, je vous propose d'écouter cet entretien. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous nous excusons pour ces petits soucis techniques. On va souffler en musique avec Copto euh, de Abdou Salam et on revient tout juste après. gateo dar mai ne ga su dono indai na te yeta yeta ai mo ai ne di biganda izar mala di biganda mai je ta bai gandu izar mala di biganda mai je ta bai gandu matan kare di moro ita matan banga di moro ita matan zamwe bor di moro hamita ya di no dar ma di moro bundu bundu hagawa Ula agawa ubai hagawa na na na ɗauki hanya kuma hanya ta maganda garbai ya kulsin da kwamto daga wani dan ba zaba me ana ce mai kudi zai na te mai hai kudi zai garbai ya kulsin da kwamto a nai sai duba gara no ga kano nai sai duba gara no ga kano na duba gara no ga kano na jo kulsin da kwamto a nai sai dambu no ga kano nai sai no ga Darmai ganala, isa por madhivi ganala. Darmai vugano, malay jumbo ganala. Darmai ganala, isa por madhivi ganala. Darmai vugano, malay jumbo ganala. Manapulu kai gahigi. Manapulu kai gahigi. Darmai janai gahigi. Kamayo mati kadida, wala kamayo antipati. Inaitezu ginoro ai minoru bagara moto hinda Undu bundu moto hinda Igadege gazu hinda Ima kasum imawa Ima hannaga yeta yeta Ima kasum imawa Ima hannaga yeta yeta galala igalala Iza porunda diviga Dharma iwaganu Balai zongo gaga galala igalala Iza porunda diviga Zar mai wugano balai da gogado ai baba na zarma wa ai mo balle kai na nandi zarmai ai kai yanno mai ai ba ga yanno e ai gi to nya daino dine kar mo i hawo zama kai ti ha magokko akurin ya hanna daino ga zano ga hampa ihin ka kol A ga zano ga hampa ihin ka kol maga hmm? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mm mm Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Copto, cher auditeur, euh, ce son a été composé par l'artiste Abdou Salam pour taquiner ses cousins à plaisanterie, les Armas bien sûr, qui selon lui sont les plus grands amateurs de Copto. <laughs> Mais tu sais, sinon, moi je trouve qu'avant tout, cette chanson révalorise davantage l'aspect de la parenté à plaisanterie qui est l'un des plus grands facteurs favorisant la fraternité, la solidarité et la convivialité au Niger. Oui. Et en plus, il y a ces mélanges de piano, de guitare qui apportent en plus à la qualité sonore, tu trouves pas Normal, Fanta. Il faut noter que Salam est un artiste, chanteur, compositeur, interprète, mais aussi musicien. Il maîtrise plusieurs instruments musicaux, notamment la guitare, le djembé et le gourmi, son instrument musical favori. Retour à présent à notre rubrique justice et on retrouve l'entretien de notre collègue Tarnan Foudé Ahmed et l'écrivain de la Lucarne, de l'étudiant en droit. L'ICARN de l'étudiant en droit, c'est un outil qui se propose d'aider les étudiants en droit. Il y a la méthodologie de certains exercices de droit, notamment le commentaire d'arrêt, la dissertation juridique, le cas pratique, la fiche d'arrêt. Et il y a aussi certaines thématiques dans la plupart des cas qui ne sont pas étudiées à la fac. Quand vous prenez par exemple comment trouver une phrase d'accroche dans un commentaire d'arrêt. Voyez-vous, à la fac, on ne vous apprend jamais comment trouver une phrase d'accroche. Or, la phase d'accroche, c'est la première phase que le correcteur va lire dans un commentaire d'arrêt ou bien dans une dissertation juridique si par exemple l'étudiant arrive à faire travailler sa phrase d'accroche de façon qu'elle soit percutante, élégante, ça va susciter vraiment l'intérêt du correcteur. Et aussi, vous trouverez une autre thématique qui ne s'enseigne pas à la fac de droit, comment rechercher la doctrine. Vous avez fait effectivement la fac de droit. À la fac de droit, on ne vous enseigne jamais comment rechercher la doctrine. Donc dans ce tournage, en tout cas, j'ai passé à revue comment rechercher la doctrine, que ce soit sur Internet, que ce soit sur euh, le code civil, que ce soit sur Dallos, tout ça là. Il y a aussi la question de, du boucher de droit. Donc les différentes opportunités qui s'offrent quand on a son diplôme en droit. Voyez-vous Vous avez évoqué les différents exercices que cet ouvrage euh, pourrait traiter. En vous écoutant, donc, il n'est pas seulement destiné aux étudiants de la faculté de droit. Non, non, non, il n'est pas seulement destiné aux étudiants de la faculté de droit. Même les passionnés de droit peuvent euh, s'en procurer euh, l'ouvrage. Donc, ceux qui préparent le concours des magistratures, le concours des barreaux, et même les professionnels du droit peuvent jeter un coup d'œil oui, ouvrage. Il y a des vont Effectivement, les candidats aux différents concours, ceux qui aspirent à faire acte de candidature pour la magistrature ou bien les barreaux, en tout cas, ils peuvent s'en inspirer. Euh, une autre euh, difficulté qu'on rencontre à la faculté de droit, c'est surtout la méthodologie. Est-ce que vous avez écrit euh, votre ouvrage là dans le sens où il serait simple pour euh, un étudiant de la première année de les lire et de comprendre facilement la méthodologie Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai même évoqué un chapitre en rapport avec euh, la première année de droit, et notamment les différents documents euh, qu'on peut utiliser en première année de droit. Je crois que les étudiants de la première année de droit aussi en trouveront beaucoup de conseils se rapportant à leurs études de droit. Souvent, à la faculté de droit, lors des examens, les enseignants donnent des sujets qui sont très fermés. Quand nous prenons un examen, exemple, un sujet tout court, euh, l'article 12 du Code civil, ou bien on vous demande euh, la loi tout court, ou bien la coutume tout court, sans des phrases qui accompagnent les sujets. Est-ce que pour ces cas spécifiques des sujets, vous avez prévu aussi la méthodologie dans cet ouvrage-là Et spécifiquement euh, pour des sujets pareils que vous venez d'évoquer, j'ai envisagé de les étudier de façon circonstanciée dans la deuxième édition, parce que ici c'est la première édition. Donc il y aura certainement la deuxième édition. Je suis en train de travailler là-dessus les Razak, euh, écrire un livre comme ça qui traite euh, de la méthodologie à la faculté des droits, il faut toujours euh, des grands ouvrages, genre Dalloz et autres. Et là, c'est un Nigérien qui vient d'écrire un livre qui porte sur la méthodologie des droits. Pouvez-vous nous dire si vous avez rencontré quelques difficultés quand vous étiez au stade d'élaboration de cet ouvrage-là Bon, je ne pense pas que j'ai rencontré des difficultés quand j'élaborais même cet ouvrage. Je suis donné à cœur dans la rédaction de cet ouvrage. Vous pouvez euh, nous dire euh, le volume de cet ouvrage Est-ce qu'il est présent sur l'ensemble du territoire national C'est un ouvrage qui a 122 pages. Il est très synthétique, oui. Et actuellement, il est disponible à la FCJ. Donc, je compte peut-être euh, l'expédier au niveau de l'Université d'Ottawa. Mais actuellement, il est disponible à la FCJ. Voilà, Tarnan, plusieurs points ont été évoqués, notamment les difficultés que rencontrent les étudiants à la faculté de droit. Et vous êtes aussi un ancien de, cette faculté. Qu'est-ce que hein, tu peux nous dire En quoi cet ouvrage peut aider les étudiants oui, euh, c'est vrai. c'est euh, non, j'ai étudié au niveau de la faculté de droit à l'université de Niamey. En ce temps-là, il y avait des difficultés à traiter certains sujets, particulièrement la méthodologie dont Abdelrazak a évoqué tout à l'heure. Après notre entretien, j'ai fait un tour au niveau de cette faculté euh, pour voir exactement ces problèmes sont là et la bête noire de ces étudiants reste encore la méthodologie en dissertation. Nous l'espérons aussi. Hein. Merci beaucoup Tarnan pour euh, cette précision. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour euh, une autre chronique justice. Oui, merci beaucoup Tarnan. nous après le copto de tout à l'heure, il est temps pour nous de faire voyager nos auditeurs vers une autre saveur. <laughs> Oui, Fanta, ce sont des jeunes hommes qui se sont installés là-bas et vendent du poisson frit. C'est euh, au carrefour de la francophonie de Niamey. On écoute le reportage de Moutari Mahamadou. Muhammadu da Idi matasa ne da suke sana'ar sayar da soyayyen kifi a bisa titin unguwar Francophonie. Tun da sanyin safiya ne suke zauwa su kasa sana'ar su inda suke soya kifin suna jiran abokanin cinikayyar su masu zuwa sayan kifin. Sun shekara tara zuwa goma a cikin wannan sana'a ta sayar da kifi kuma ta rufa musu asiri a ciki suke ci su sha har su ɗauki ɗawainiyar buƙatun iyalansu. Sana'a ta kifi ne ke sai wannan kihin muna zuwa kasuwa ne muna ɗauko shi wajen masu gidajenmu da ke ɗauko su daga najeriya suke ɗauko shi muna saruwa ne a wajen su mun ɗauko shi muna zakwa mu yanki muna wanke shi kuma mu sa bari fari ya ta waye muna zakwa mu mai mu soya shi mutane suna zuwa su siya sosai wallahi muna sa albasa da mayonnaise kuma da tumati da sauran su yaga ina da iyali cikin nake cikin shi kuma cikin yin aure hannu kuma biya makani na kuma kudin aure wannan sana'a kawai sai da son barka alhamdulillah wallahi ta biya bukatu na daidai gwargwado sana'a ta kiyi nake sai da na jima dan na na dauki lokaci suna da gashi kala goma to an yi wani da dama dai tun da cikin muke sha muke biyan bukatu na gare mutane suna yi nima na fara muna soya shirin muna da mutane to akwai na arba'in akwai na sittin akwai na ashirin ya eh, muna ya samu jirgin jaka ɗari ko jirgin jaka ɗari da ashirin ko jirgin jaka ɗari da ashirin duk muna isa mu dai tana ana samu dan ba sa ba samu ne a kura muna rabin abin liƙiya akwai bitar muna samu na liƙiya na yi kitibis da wasu da suka zo sayan kifin sun bayyana ra'ayinsu kamar haka sana'a ce birema wadda ina ya ba inda suna kula da tsaftar shi kaga yanzu an ka zo da fari sai burodi ne za a ɗaukawa a sa ma albasa da tumati da mayonnaise a shahe shi sosai kawai sai a ɗauki kihi sai a ɗora ma yanzu daga ba sai a dan sa ma mai ko a rama shi a dade a yana yi masha Allah wannan yana yi eh ke hannu zo sai a daburu mun tun Abuja mun ka saba da shi eh kullun nake zuwa wani bi sai na 40 ya ishe ka to in ka ci kana goshi a yana shi daidai kau sai zuwa midi kuma ya ce wani abinci sana'a dai ba ta da kaɗan kuma tsafta tana taka muhimmiyar rawa ga masu sana'a musamman irin ta abinci tana janyo tururuwa abokanin cinikayya a cewar wani matashi da ya ba da shawara zuwa ga matasa? a kallon da na yi na harkokin sana'a ko da a ce shushayin kake yi ko da a ce masu fidda farce ne in a ce za ka dan bashi wani salon kallo abun zai tafi da wata rana su shayin na masu tayyana na taba zama da guda na ce mishi malam da a ce kaga ga abin da kai kana kama jikinka kana dan ba da tsoro wallahi mutane da zaka samu masu wanga jawa ne a Nigeria wani dan samari goro ne yake saida ya sa kravat din shi ya kama goron shi amma ya gani babban mutum cikin wata ya tsaya ya sayi me yasa ya sayi saboda kama jikin nan dai to duk sana'a da zaka yi ka yi imani da ita kuma ka kama jikinka Un très beau reportage, Fanta. Ça m'a déjà donné de la dalle. <laughs> Surtout que tu es un grand amateur de poissons. Chers auditeurs, le réalisateur de ces reportages, Moutari Mohamedou, est aussi avec nous dans ce studio. Moutari, sanu da zuwa. Yawwa, Hajiya Fatta. Na ce wai ya aka yi ka tuna da wannan rahoton ko santi ka taɓa a wajen kifi. Ai, ina faɗa biki Fanta. Do in ya kasance weekend ne to ‘ya'yana su Baba, akwai wani mai sai kifi a bakin <laughs> ya iya kifi. Kaje je ka saya mana to nan ya sa kasance na samu damar ganin cewa matasa suna ba da kokari na himma na mm. ganin cewa sun koyi wata sana'a wadda eh, sana'a kowace iri ce ba ta da kaɗan duk abin da zai kama ka abin da za ka rufa ma kanka asiri bai da kaɗan. musamman ma ni na gani a matsayin su na maza a ce yanda a ƙasashen ake ganin kamar wannan soya kifin girki ne ai kun girki harkar mata ce su samarin ba sa ganin kamar eh, ba sa ɗarɗar da wannan sana'ar tasu. e gaskiya na dan tattauna da su sun bayyana min cewa kamar jama'a suna dan kyamarsu haka saboda eh, kifi yana da wari ko kuma kazani akwai lokacin da in suka tinkari mutum sai sai aji suna wari sai na ce to ya kuke fama da iyalinku suka ce to su eh, duka matayen su mafi yawan su suna kawai ne tunda mafi yawa mutane wanda suke zuwa daga dogon dutse kuma wannan sana'a ita ce sana'a su fiye da shekara goma ko kana da wani sako na karshe da kake son ka ba ma masu sauraron gaskiya sakon da nake son na mika ga masu sauraron mu musamman matasa su yi kokari su mai da himma ga eh, sana'a ko kowace iri ce idan suka bata wani fasali mai kyau wanda jama'a za su zo su saya sai ki gani cewa mutum ba sai ya ta zura ido ya gani cewa ina ne zai samu kuɗi zai samu abin da zai biya bukatar shi biya bukatun iyali shi Mungo de Sosei Moutari. Merci infiniment, Moutari. Fanta, après la bouffe, maintenant, il faut dépenser les calories pour garder la ligne. Un peu du sport nous fera du bien. T'es prête, j'espère Bien sûr, Seno. Je suis prête. Et Guruza hasumi Karimou, notre chroniqueur sportif, qui vient tout juste de nous rejoindre, me dit qu'il est prêt aussi. Bonjour, Guruza. Ah, bonjour, Fanta. Et Seno, ça va Ouais, ça va, en forme. Alors, Guruza, aujourd'hui, nous irons à Zender pour un tournoi de foot dédié à la paix et la solidarité. Oui, on ne joue pas avec la paix, mais on joue pour la paix. Voilà le message fort de ce tournoi de foot qui a débuté hier dimanche dans l'après-midi dans la capitale de Damagara et va durer un mois. Mais c'est la première fois que ce tournoi est organisé pour la jeunesse C'est la deuxième édition et c'est une coupe d'ailleurs dédiée au président de la République Bazoum Mohamed. Deux sites ont été retenus pour accueillir les matchs, le CG5 et le lycée Amadou Kourandaga de Sender. Alors, Maman Abdou Issoufou, il est le président du comité d'organisation. Il nous explique les objectifs assignés à ce tournoi au micro de Ali Keita. Certaines régions de notre pays sont menacées par des attaques terroristes. Aujourd'hui, nous, nous avons une paix ici à Zander qui continue à régner. Nous avons pensé et nous avons initié ces tournois pour consolider cet acquis-là, puisque nous, pour nous déjà, la paix est un acquis. Donc, il fallait la consolider pour vraiment que chaque acteur puisse apporter une pierre à l'édifice dans la préservation de cette paix. La première déjà a été un succès et nous nous sommes mis à l'évidence que le succès de cette première-là ne doit pas rester vain et qu'il faudrait nécessairement initier une autre édition pour que les jeunes de toutes les communes de la région de Zander puissent se retrouver autour du ballon pour échanger, en tout cas dans le fair play, dans la culture. Nous avons fait une prévision pour les 55 communes de Zander. Toutes les communes sont représentées et là aujourd'hui nous sommes à 78 équipes. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres équipes de la ville, en tout cas qui ont sollicité participer à ce tournoi-là au vu de l'importance qu'il représente pour la région. Notre slogan cette année, c'est le suivant. On ne joue pas avec la paix, on joue pour la paix. Nous voulons véhiculer ce message de paix pour que les jeunes de Zander prennent conscience et que demain, qu'ils puissent donner leur contribution dans la lutte contre l'insécurité et les crimes organisés. Voilà Fanta, c'est nous, c'est tout pour le sport aujourd'hui. Merci euh, beaucoup Gourouza. Alors Fanta, on passe euh, au portrait du jour. Tu nous présentes qui ce matin Aujourd'hui, c'est nous, notre collègue Oumu Oumaru nous amène chez une femme démarcheur, une des rares à exercer cette activité le plus souvent réservée aux hommes. Suivant le portrait de Malama Salamotou, rendu au studio par Adam Adawaki. Malama Salamotou, la quarantaine, est native de Filengue mais réside à Niamey avec sa famille.

na saida mishi tsakanin su da maliyaro na farkon kenan shikenan shikenan sai na ta yi sannu sannu har duka in ya gina ya zo ya ce min in biɗo masaya sai in ka kiliyan in an ya saida na saida mishi shi bani shi ku kiliyan shi bani le shekara ta goma sha biyu cikin wannan aiki ga 'ya'yana ga mahaifana ga mai gidana ban taɓa samun matsala ba sai dai in na hita suna mini addu'a Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai ni lahiya ya maido ni lahiya lalle na samu unhani ban mallaki gidan kaina ba amma ina samun abin da nake kore ma baki na kuda kuma ina biyan bukata bisa kan haka nan ballin wannan kuma ina fatan kasan mu ta Niger ta samu zaman lahiya lalle abin da nake fata kenan kuma ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mini ta wannan hanya abin da zani samu in mallaki gidan kaina ba matsala ni tsakanin na da maza tunda da sun gane dai sun san aiki na kenan duk kowa ya san ne in to sun ka to su da an maza ma sun hidda mini hakina in su suka samu suka saida in ni a tare da su suna hidda mini hakina ba kamar yadda nake da kaina ba su sun ka san wanda suka hiddo mini hakina dillancin karukan kadai ne nake yi sai makaranta da nake ina cikin sabka ta biyu malam jibo gabai Un de ses collègues apprécie son implication dans tout ce qu'elle fait. Leur collaboration est au beau fixe témoin du beau. ko ina ta kwana inda ta ji tsoron Allah Allah na ta da ita domin idan ba ka gani in ba ka ganin Allah shi Allah shi na ganin ka shi dai na farko shi dai marshar abu da ake so garai shi dai lale shi gaskiya kullum kai gaskiya kada ka sa ƙarya cikin tahiyarka ba mu taɓa samun mushkila mu da ita babu laihi tsakanin mu sai alheri idan ta samo kasuwa tana zakwa ta gaya min mu kasuwa in ta in ni samu kasuwa ina gaya mata kullun ni ganta kuma ina kwatanta mata matukan na tsofe ta ina kwatanta mata cikin gaskiya ina cikin sandika ta, ta marshar ina da karti ta de marshar aikin ta yana birge Salamatu lance un appel aux femmes de ne pas rester sans activité génératrice de revenus pour une vie meilleure. duka yan uwana mata ina musu roƙo ina musu addu'a kuma ina musu fata kowace mace lalle komi namiji ba sai ya maka ba kana so komi na na lalle namiji shi maka in bai da kuma in kana yi da kanka kana samu in mace duk ko ba sana'a dillanci ba kowace mace ta tashi da kanta ta kama ta taimaka ta da samu abin da za ta yi da ita da iyalanta lalle masha Allah na sha tambaya ga malamai an nace musu hawan ga abun da nika yi yana da matsala suka ce min in dai mijina bai hana mini ba baya da matsala tunda a lokacin annabawa an ce aisha ta yi fatauci tare da maza to lalle da lokacin annaba da yanzu ba ɗaya bane amma suka ce min in ina kiyaye kaina ina kamawa Allah yana kama mini ba abin da zai same ni pour malama salamatu il n'y a pas de sot métier ni de travail destiné aux hommes en particulier l'essentiel c'est de gagner sa vie Et oui, il n'y a pas de sous-métier, hein. l'essentiel c'est de gagner sa vie. Merci euh, infiniment Oum pour ce reportage. Fanta, euh, après euh, ce reportage, on passe au loti. Oui, c'est nous. le loti de ce lundi traite l'importance de la carte d'identité nationale, ce document administratif servant à justifier l'identité d'une personne, bien que certains citoyens méconnaissent encore son utilité. Rakia Arimi et Samira Rouafi nous édifient sur l'importance d'avoir sa carte d'identité nationale. On les écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. passé ton voyage J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça Ou bien c'est Maman que tu as vu dehors à la fada Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. <laughs> voilà, cousine. Si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey, hum, tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi Non, oui parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine, ces personnes qui vous ont fait descendre en raison sur vous, vous faites quand même un torse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Mais protéger de quoi De qui Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable car les femmes seraient complices aussi. Kai, subhanallah, que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires. Hé, eh, n'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. <laughs> en tout cas, je t'encourage. Tu comprends puisqu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Hé, eh, donne-moi l'eau là, je veux boire. Et voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Fanta, do you speak English? <laughs> Of course, no. <laughs> c'est juste pour t'annoncer que c'est l'heure de la culture linguistique. Et aujourd'hui, Jackie Dalton, la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle, nous explique l'expression justice sociale en français et en anglais. Bonjour Jackie. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue. En effet, dans la mission aujourd'hui, on a entendu parler de justice en particulier de justice sociale. Comment dire justice en anglais Justice. Même mot, prononciation légèrement différente. Justice. C'est un peu comme la semaine dernière, le mot anglais que j'avais expliqué était radio. Peut-être vous vous rappelez, en anglais c'était pareil, radio. Donc là encore, justice, justice. Très similaire. Et en anglais, la définition est la même qu'en français. Justice, ça veut dire l'institution ou pouvoir qui permet de faire respecter les droits de chacun, en particulier en punissant ceux qui ont mal agi. Justice. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. La justice sociale, c'est-à-dire l'idée que chacun et chacune mérite des droits et des opportunités économiques, politiques et sociales égaux, sans discrimination. Malheureusement, cette année, l'ONU souligne que la pauvreté et les inégalités s'aggravent dans de nombreuses régions du monde, en partie à cause des crises économiques et sociales aggravées par les effets du changement climatique, de la pandémie Covid, les conflits armés, entre autres. Comment dire justice sociale en anglais Social, c'est social. Social. Justice sociale, c'est social justice. Social Justice. Cette année, l'ONU remarque aussi que ces crises et les problèmes de justice sociale ont révélé à quel point les économies et les sociétés du monde étaient interdépendantes et souligne donc le besoin de travailler ensemble pour trouver des solutions. Travailler ensemble, work together. Travailler, work together, ensemble. We must work together for social justice, selon l'ONU. Social justice. That was today's English phrase. Et pour la semaine prochaine, je vous invite, vous qui écoutez, à nous dire à nous quels mots ou phrases vous aimerez apprendre en anglais. Contactez-nous pour nous dire. Thank you, merci. Merci Jackie pour cet éclaircissement sur l'expression justice sociale. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, comme l'a dit Jackie, que ce soit en anglais, en hausa, en zarma, en fulfulde ou en tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou tout juste un message au numéro 82 89 89 64. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous à présent, retrouvons nos auditeurs. Oui, Fanta, à cette émission, nous leur donnons aussi la parole. Studio Kalangu, si je peux le dire, est un programme radiophonique qui touche la société à travers euh, ces ses différentes couches sociales. Si nous prenons par exemple qui touche nos grandes villes aujourd'hui, c'est surtout le problème de, de circulation routière, donc du fait des agglomérations et de l'insouciance quelque part des habitants qui ne respectent pas euh, toujours les règles de la conduite. Donc à travers cette euh, émission du programme Studio Kalangu, les sensibilisations ont joué pleinement leur rôle. Donc, à travers ça, les gens commencent petit à petit à être édifiés. Et cela commence à avoir un changement quand vous regardez un peu partout dans les centres urbains. Je profite aussi de votre radio pour rendre un hommage mérité au cancer du franco-arabe de Tilaberi, Ali Doso. Et eh, Sunana Issouf Jirde Hassan, quartier Wadata, coach kuma president ne na cooperative kiwo bunƙasa ƙasa kuma mambar ne na association wadda ake kira ajab eh alhamdulillah ala kulli halin shirye-shiryen studio kalagu wanda take a nan garin arlit muna sauraron su tana tem da dama wanda muna jin daɗin su me amma akwai abin da muke so a ɗan kara kaɗan to karcen mu karce ne wanda ya zamanto kaf cikin arlit babu karce mai haɗari kamar shi karce ne wanda muna zamne tare da mutane kala-kala yana da kyau studio kalangu cikin shirye-shiryen da take muna son ta ƙara ta kama mana da wayar da kai eh, ai yi gana abubakar huna ai godo wanda a yeru karca kan si gane suji wallahi labari din kalango eh, samba irgo gogi hangan gumo gumo gumo irgo di rafa hama ke karanta mu mo dama kalango labarai di maka kaso ho fahimai bobo no irdo ira a sai na yi yo halai mando aga tai se ba haifo lokaci nan ga batu bumbo bumbo igene lokaci ko legi portable henen de mene hal bur gugo to mboy gidi ba agay yam bumbo kan se won labari kana se ay gogo du rafa hama ke kan tamo te bobo e won labaro agonda fa hama agonda bon fere da ma bon fere bobo no ay wodu e won labari ra a agwara kor kwara her kera a gwara da mai bumbo ba huna a gwara tali tali bobo en kan gobore ne kera game a gwara hay bobo en kan borsinki kabuka ben kan kalangurano ay wodu e fahama im sintina za gurgu guwa manto wal hay kamba ko sayad mm. to wokan dina ter hangani go borkati ima nan kan rajiya bumbo lokaci kul non kul kan borgo jiha jihaira dani na ke ci kunne maduwa Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Rafika Attaher. Rafika, bonjour. Bonjour Fanta. Rafika, vous allez présenter la grande édition du soir en langue française. Quels sont les grands titres Eh bien Fanta, concernant les grands points de l'édition de 17h, la cellule aéroportière anti-trafic de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants dispense une formation aux agents des forces de défense et de sécurité sur la sûreté aéroportière des aéroports. Nous en reviendrons plus tard dans l'édition. Ensuite, 26 dossiers et 40 accusés vont comparaître au tribunal d'Agadez pendant 11 jours pour la session criminelle qui s'est ouverte vendredi. Vous suivrez de l'édition du soir le procureur du tribunal. Enfin, de la partie magazine du journal du soir à découvrir le rôle et les attributions des avocats commis d'office. Eh bien, Fanta, c'est tout pour les grands points de la grande décision la grande édition de ce soir. Merci beaucoup Rafika. On va souffler un peu en musique avec euh, ces titres titre Yetieta de Abel Zamani et on se retrouve juste après chers auditeurs. cause I'm minding my gum. Cookie, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, auditeurs, c'était Yeti Yeta de Abel Zamani. Chers auditeurs, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez poser vos questions sur la santé, la technologie, la justice, l'éducation et même la culture nigérienne sur le 82 89 89 64 par SMS ou via l'application WhatsApp. Et oui, cher auditeur, euh, c'était bien évidemment euh, la musique avec laquelle nous allons vous quitter. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sous le Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, Ali Moukela Ouseni. À la technique, nous avons Issa Lawali et, à la, et la grande dame Rahilatou Soumana à l'édition. Fanta, on va leur dire ciao, ciao. Ciao, ciao. <laughs> Excellente journée à vous.